lundi 24 juin 2024, chers auditeurs. Vous l'avez compris, c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalango. Ce matin, vous êtes en compagnie de Habiba Ahmed et Rabia Mekano. Bonjour Rabi, comment tu vas Je vais super bien, Habiba. Et toi, ça va Je vais bien aussi, Alhamdulillah. Alors pour ce premier numéro de la semaine, nous allons ouvrir l'émission avec un flash d'infos qui nous sera présenté par Rafika Taher. Après suivra la rubrique Loti, la rubrique Culture linguistique et une page sport. Pour te compléter Habiba, en écho des régions, nous ferons un tour à Difa dans le département de Gingimi. Dans cette émission, nous suivrons un entretien avec Bala Haruna, un lutteur traditionnel qui a donné le meilleur de lui dans la lutte traditionnelle au Niger. Les Niger sur Kalangu, c'est aussi la consommation de la musique nigérienne sans Top, c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Chers auditeurs, suivant le flash d'information avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Rabi. Bonjour Bonjour Rafika, quelles sont les nouvelles ce matin Alors pour ce matin, début des examens du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD au Niger sur toute l'étendue du territoire national. Les examens se dérouleront du 24 au 25 juin 2024. Dans la région d'Ottawa, le gouverneur, le colonel-major Omar Outawaye a donné le coup d'envoi à l'école mission catholique mixte de la ville. Ils sont au total 73 120 candidats dont 31 000 656 filles réparties dans 242 centres à subir les épreuves écrites du CFPD sur l'ensemble de la région d'Ottawa. Le Premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamin Zen a présidé samedi 22 juin dans la localité de Haïdara, dans le département de Ngourti à Difa, la cérémonie officielle de lancement des activités de l'amont pétrolier des blocs de Bilma et des blocs R567 confiés à la Société nationale de du pétrole Sonidep. Selon le Premier ministre, le lancement de la Sonidep dans cette activité sera un grand challenge qui exige de sa part transparence ainsi que le soutien de tous nos compatriotes. La population autochtone de Ngourti, quant à elle, a accueilli avec satisfaction le lancement des activités et exprime ses doléances à la société. Le chef de groupement de Bitinga Ngourti, M. Kadel Latar, Kadel Ousmane a fait savoir que la zone de Ngourti est composée en majorité des éleveurs et cela peut avoir des effets négatifs car l'existence du pétrole dans la zone peut avoir des impacts sur l'élevage souhaitant ainsi que la SONIDEP puisse recruter les jeunes en vue de leur fournir un travail et réduire le taux de chômage qui est trop élevé dans la région de Difa et demander à l'État de collaborer avec la SONIDEP pour leur donner leurs différents revenus pétroliers et tout tout ce qui revient à la population autochtone. Par ailleurs, le samedi 22 juin 2024, toujours, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, le colonel Maizam Abdoulaye, a effectué une visite de la forêt classée de Gesselbodi, couvrant une superficie de 5400 hectares, site réservé pour la fête nationale de l'arbre édition 2024. C'est pour s'enquérir du niveau des préparatifs et apporter des corrections si nécessaire. Cette initiative a comme perspective pour le ministre de démontrer sa forte volonté de réhabiliter et de valoriser cette forêt classée menacée entre autres par la coupe abusive du bois vert, l'installation des campements des éleveurs avec tendance de sédentarisation et les lotissements illégaux avec installation des bornes. Et c'est tout pour le flash de ce matin. Merci, Rafika, pour toutes ces informations. Passe une excellente journée. Merci Habiba. Chers auditeurs, comme l'a annoncé Ravi plus haut, notre entretien sera avec un traditionnel. Nous découvrirons son parcours dans un instant. Mais avant Habiba, allons en musique pour savourer euh, une chanson, un gari de Sofiane. D'accord. Ah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa. Uh. Oh, wow. Blitz. Tell me, how do you feel now? Yeah, yeah. Zanchangajia babushina. Oh, wow. Aniyesuwe chantabisu. Yeah, yeah. Ina masoya engarinna. Non, non, c'est pas pareil. Tu vis ta vie, je vis la mienne. Non, non, t'as pas raison. Comparaison n'est pas raison. Wesh, que tu kiffes ma vibe. Wesh, comme je kiffe ma life. Comparaison n'est pas raison, mon ami. de son vrai nom, Sefia Aminami, est une chanteuse, interprète et compositrice nigérienne. Elle s'est lancée dans le monde musical lors de ses études au Maroc dans la ville de Rabat où elle intègre un groupe musical latino-américain. De retour au pays, elle intègre le groupe Kaidangaskia 2. Safiat met toute son énergie pour faire passer des messages de paix, d'amour et de tolérance. Ses chansons sont en français, en rosa, en zarma, en tamashek, Eres sama en inglés. Hey. Fiat à présent, nous allons écouter la première partie de notre entretien avec Bala Haruna, figure emblématique de la lutte traditionnelle du Niger. Il a presque entièrement consacré sa vie à ce sport roi qui lui a valu plusieurs titres de champion national et d'Afrique. Après sa retraite prématurée des arènes en 2011, Bala Haruna retourne à la terre où il devient un grand producteur. Il est au micro de Haboussarki, notre correspondant depuis Matamai, région de Zinder. bala yanzu ko kana iya gaya mana yaushe ne ka fara kokowa kuma me ya kai ka ka samu sha'awar yin kokowa to lalle ni abin da ya kai ni sha'awar kokowa lalle mu muna mun fara tun a karkara a karkara da kaji ne ake samu a kowace unguwa shamfiyo na wacce unguwa da na wacce unguwa sai a samu yan kaji a sanya tun ina zuwa ana ciwo kajin ai ya kasance ana sa awakai kuma a nan akan awakan ma ana zama shamfiyo kenan sai na ga kokowa ta birge ni ɗari bisa ɗari tunda mu can annashuwa ce da duk wanda ka gani wajen mu yana yin kokowa sai dai wani yahuwan tasiri to ba iyawa ta bace ba ba wani abu ne nake shi ba Allah ne ya sanya ya daga ni cikin abokaina har ya kasance a lokacin da muke gida cikin ɗan ƙanƙanan lokaci sai Allah ya sa na hikarin abokaina eh, shekara nawa kenan to gaskiya shekara ta kai talatin da shida a ina can ƙauye dalili wata kwamɓala ce maka ka mu can ba ana ana cewa yawon kokowa mu kuma can kwambala ake cewa to mun ta kwambala ta sati biyu to a nan ne duka abokan na wa'anda suka yi karhi na kai mu dawo na hikarin su yanzu muna nan da raban in zo nan gurin kokowa sai aka zo nan gurin sai aka tambayi langa-langa aka ce mishi to akwai dan kokowa a je a kawo shi ce a shi akwai dan kokowa a gida zai je dauko shi sai gagara ya ce a je a dauko ni aka dauko ni ranan alhamishi na zo nan mata mai kuma da na duro nan mata mai tunda ni ga lokacin da na zo gehe na na koma ni da kowa yin kukuwa nake dan a sani tunda lokacin babu wanda ya sani to ashe da rabon haka nan har zan zama shamfiyo na jiha zan kuma zai shamfiyo na ƙasa zan kuma zama shamfiyo kuma na duniya. To Alhaji yaushe ne ka fara kokowa ta takobi? Da fara kokowa ta takobi da bari na yanzu yau ina da shekara talatin da hudu tunda na bar kokowa takobi ran da aka yi juyin mulki na tanja a ranar na anan na bar kokowa takobi na ita kokowa takobi sai da na shekara ishirin ina yin kokowa takobi kuma kaɗan daga ciki in zan tsaya lissafa ma abubuwan da ne a gurin kokowa takobi lalle mu a da garan ba abin yadda ba ne tunda sai ka tafi ka rubuta kowa wadda na kawo a damagara da ne kayi 175 yana a rubuce wacce ce ta harko takobi da kaci da kai da wannan kokowa ne takobi na na harko ni na humumma ne ta biyu ni da badamasi alasa ta uku ni da ibrahim ciyama to cikin kokowar da kai wacce ce kaga ta hi burge ka lalle ka san akwai kokoyi wa'anda suke hidda mutum ɗari bisa ɗari kamar kokowa ta mu ta nan gida ta Nijar yin da muka da nuhun mu lalle ni na ci takobi wa eh ta Agadas amma ni da shi kowa ya sha wahala kuma kowa koko ta burge shi farilla amma ni na ci in aka ɗauke wannan sai a ɗauke ta a tai ta ƙasashen waje lalle na zama shamfiyo da afir so shidda guda shidda ɗin nan da muka yi duk da 'yan Senegal so ɗaya ka ci ni ni na zama shamfiyo da afir gaban 'yan Senegal so biyar Dakar na kuma zama champion da Afirka babu 'yan Senegal lokacin sabon burutu lokacin ina kilo 75 nan ma champion da Afirka na zama na kuma zama champion na duniya a Turki ko ba haka ba hmm. kenan ni yanzu a harkar kokowa sai in ci to alhamdulillah saboda ka game da haka yanzu ni ban da jahilci kaga ina nan gida sai a gayyace ni a ce in tai da inda ake wata babbar kwambala farla sai an yi ta da ni to yanzu alhaji cikin koko da kai kuma wacce ce ta yi baka tsoro da ka shiga fage ka samu sarau to lalle kaman ba ma ni ba ga yan kallo ma da kansu ran da muka kokowa da yan Senegal a nan ya Yamai yan kallo da kansu ne suke cewa ai sun zo dai cikon lokaci zawa zami wannan dan kokowa ya kada ni to da ba ni bane mai yi Allah ne mai yi sai muka kuma sai na kada shi muka sake kuma kuma na kada shi kenan duka wannan ba na bane yan Allah ne dai in Allah ya kadarta za a san ka a duk duniya sai kai wani abu na ban mamaki kenan ko wannan ko kowai hayyo har gobe ita ce nake ci saboda kasan akwai wanda in an ce jiha ta zama ta jiha in an ce ƙasa abu ya zama na ƙasa ko to tunda abin ya zama na ƙasa kenan ni na kowa ne na daga tutar Nijar ko shine nake so ga magabata na Nijar ita kokowa lalle duka mu yan kokowa ne miliyoyi ne mu yan kokowa wannan sakon akai shi ko gurin wani magabaci daidai ne miliyoyi ne mu yan kokowa amma wa'anda ya kamata a fifita a duk duniya a harka abin dan su suka bauta mu abin kuma su suka daga tutar Nijar kuma kowa ya sani ya kamata kuma da magabata na da da na yanzu ya kamata su kama ma wannan mutane Chers auditeurs, nous allons encore souffler à musique avant de poursuivre notre entretien. Tu nous proposes quelle chanson, Rabi Habiba, le prochain son, c'est Gangi Almanei de Toubal de Dosso. gane gagawi zabe rewata kayan goge gari jina maza kai nima kwanza ta jina marna nai ni kai na gada ki berita mana saji zabe rewata kayan goge zuri nya

musicale du Niger. Il est créé en 1995 par Dr Ousmane Yaye et ses amis. C'est en septembre 1997 que l'orchestre se révèle au grand public à l'occasion d'un grand concert au Palais des Sports de Niamey. L'orchestre Toubal compte à son actif deux albums, Gozambiro et Katiboto, et un opus spécial en hommage au chef d'orchestre Hassan Isaka, dit dernier décédé. Thank you. vous avez aimé cette sélection. Passons à présent à la seconde partie de notre entretien, Habiba. Oui, Rabi. Bala Haruna, ancien grand lutteur au Niger, a débuté sa carrière comme lutteur des quartiers avant d'évoluer progressivement jusqu'au stade où tous les lutteurs les craignent. Au-delà des trois sabres remportés au titre de la région de Zender, Bala Haruna a aussi remporté plusieurs titres d'Afrique. Pour beaucoup plus de détails sur le début et la fin de la carrière de Bala Haruna, Abou Sarki s'est entretenu avec lui. Alhaji wasu kamar suna cewa da zaran Bala Haruna ya shiga hili Bala canzawa yake ko bacewa yake ya gaskiyar abu. To ka san komi lokaci gare ni da kaina lokacin da nake lokaci wani abu in yazo sai dai in ga nayi shi ne. Ko ba gaskiya ba. Yanzu ko an ce mu yi ba mu iya ba. Yan sai dai dubaru. Dubaru ka irin namu suna nan ɗari bisa ɗari. Alhaji menene ma ya kai ka ga ajiye kokowa tunda dai wato kai ne ka barta ba ita ta barka ba. To ka san shi komi lokaci gare lalle tun da man gani na gani na yi rawar gani ko ba gaskiya ba na ga kahin abin ya banni wanda in bar shi lalle lokacin da na bar kokowa ni ne na barta ba ai ta bar mu to ai kuma kaga har yanzu ana hudi ana cewa ni na bar kokowa kenan haka ake so ka yi abin cikin darajar ka ka bari cikin darajar wasu suna kaman mutuwar ali ali ita ce ta ƙara sare ma gwiwa ka barta wallahi lokaci ne Allah ya kawo na ce to bari in dan dakata da kokowa da magaran na dan dakata wato a cikin 'ya'yanka akwai wanda zai gaje ka ko ya gaje ka to lalle a yara na yanzu da a ko an suka fara kokowa yanzu kuma ba sa yi ka san tun da mun nan gari oh duka yanzu sun zama 'yan boko kowa yana harkar karatun shi ko ba gaskiya amma yara mu na can gida har yau har gobe akwai yaro na wanda yake dan kokowa ne kuma sha mu Allahu muna kyauta tsamanin Allah shine da sanin shi amma muna kyauta tsamanin kila ya zama wani a cikin harkar kokowa yanzu Alhaji Bala bayan kokowa wace sana'a ce ko kuma wato aiki ka rike to lalle ni anan mata mai nake zanna ciccip lalle ni manomi ne bakin gwalgwado kuma wannan sakon duk da mu manoma ne masu ɗan ƙarfi to lalle muna kira ga magabata na hanyar noma su da kansu ma mun kai koke gare su mun kai koken mu ga magabata na ƙasa duka alhaji ana ga kamar yadda ka shahara kokowa a noman ma ka shahara lalle ban ni cewa tunda ba a cika baki kasan babu maimakon ka cika baki ni dai manomi ne karami amma hisbillahi ban ni iya ce ma ni ga tunda ba zuwa kai inda zuwa za kai kaga gona kan nau to wannan komi ina iya hudu yanzu da abin da na iya ai to wasu saka kawon ba ai muna gani tunda unguwa guda mi to to <laughs> babu to yanzu alhaji menene watakila koken ku ko shawarar ka a game da abin da ya shahi kokowa musamman ma a nan jihar da magaram da ta shiga halin hau ila'i. To lalle shawara ta ga magabatan da magaran da kuma na ƙasa ita gaskiya gaskiya ce. Duk ran da aka saki gaskiya fa to akwai kunya. Ita ko kowanne in dai ana so ta yi wa'anda suka bauta mata din nan su ne za su dawo kanta. Wanda fa bai bauta mata ba in ya dawo kanta ma kunya ce za a yi. Amma da yake masu abu su ne da abin su mu bakin mu da ta ba. ko ba gaskiya eh dai ina kira ga magabata na ƙasa tunda wannan ministar namu na sport duk abin da aka kama inda kuka ne na harkar dan kokuwa wanda yake ya daga tuta ƙasa ban taba ganin ya ja da baya ba inda kaga gasa nan yanzu sun dauki badamasi lasan. sun mai magani na wajen miliyan biyar da wani abu ko ba gaskiya ba suka ce ya bauta ma ƙasa kuma duk wanda ya bauta ma ƙasar nan manasarorin nan na yanzu wallahi ban taba ganin ya san kai mai kuka ba an kai masa kuka ba sun ja da baya ni da kaina wannan ministar din namu na yanzu da kaina na kai mai kuka kuma sham Allah in Allah da zai goge man hawaye na da suna na kuma na tsahin yan kokowa na ƙasa ina ga kira kai shugaban federaso da wannan ministar na yanzu na sport saboda duk abin da suka faɗi fa a harka kokowa yau su ne kenan ɗari bisa ɗari ba he ni bala haruna ba duk wanda aka san ya bauta ma ƙasa to a san ya bauta ma ƙasa duk wanda aka san ya daga tutar Niger federaso ministar da sport aka ya daga tutar ƙasa yanzu kada ya kasance ko da wani lokaci a ga shampiyo a cire ya kamata in kiɗi ya sauya rawa ma sauyawa take ko ba gaskiya ba shamfiyo duk inda yake ya kamata a san champion ni ba ga yanzu in mun je Senegal sai ya ga abakan mu champion mun dan bambanta da su to lalle ba a kwanta tare ba ba a tashi tare amma lokaci ya zo na a canza kuma yanzu kai shugaban Federaso Umfana Musa da kai da ministan namu na sport lokaci ya zo na ku canza duk champion yau champion abin da muke ba mu wuce mu 25 ba ko da shida da ne lissafi mu 27 ne duka champion na Niger kenan yanzu a lokacin ku ne ya kamata a kama masu su zama wani abu wannan sako ne ka sport Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h passé de 23 minutes partout au Niger. Si vous venez de nous capter, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalangou, une émission de la mi-journée du studio Kalangou qui diffuse l'actualité et les sujets qui touchent la vie quotidienne des populations partout dans les pays. C'est le moment pour nous d'entamer notre rubrique justice. Oui, Habiba, et aujourd'hui notre rubrique parle d'abus d'autorité. Il y a abus d'autorité lorsque le détenteur d'un pouvoir sur autrui, que sa supériorité soit de droit ou de fait, en use et pour pousser celui qui lui, doit obéissance à commettre une infraction ou pour le contraindre à supporter une atteinte à sa dignité et à ses droits. Que dit le droit pénal sur la question Réponse avec le juriste de l'association, un juriste de l'association pour la défense et la protection des enfants et des femmes ADEPE. E. Au micro de Rafika Ataher. Qu'est-ce que l'abus d'autorité Permettez-moi, avant de définir l'abus d'autorité, de donner quelques précisions sur la notion même d'autorité, qui est en fait euh, le pouvoir de commander et d'être obéi. L'autorité désigne donc, dans un État, le pouvoir politique qui détient le monopole de la violence légitime, plus précisément le gouvernement et l'administration publique chargés de faire respecter les lois et règlements. Dans les sociétés démocratiques, l'autorité découle de la volonté générale et implique par conséquent l'idée de légitimité. Et l'abus d'autorité est donc une infraction à la loi pénale imputable à tout fonctionnaire de l'État ou à toute personne dépositaire de l'autorité publique qui outrepasse ses pouvoirs, soit pour se procurer un avantage, soit pour nuire à autrui. En droit nigérien, les abus d'autorité sont définis et incriminés aux articles 114, 115 et 116 du Code pénal qui peut être poursuivi pour abus d'autorité. Les infractions d'abus d'autorité sont le fait des agents publics, c'est-à-dire des personnes dépositaires de l'autorité publique, des personnes chargées d'une mission de service public ou des personnes titulaires des prérogatives de la puissance publique. Il ressort des dispositions de l'article 114 du Code pénal que les fonctionnaires de l'administration publique susceptibles d'être poursuivis pour abus d'autorité comprennent je cite, tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire ou tout agent de la force publique agissant en cette qualité. Fin de citation. Il s'agit donc de tout agent de l'État, tout magistrat, tout policier, tout gendarme ou douanier qui abuserait de son autorité pour nuire aux citoyens. Quelles sont les sanctions pénales encourues par les acteurs d'abus d'autorité L'infraction d'abus d'autorité peut faire l'objet des poursuites pénales, conformément aux dispositions des articles 114, 115 et 116 du Code pénal, qui punissent l'auteur d'une telle infraction d'une peine de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement, d'une peine d'amende de 5 000 à 100 000 francs CFA, sans oublier les risques d'interdiction de l'exercice des fonctions pour une durée de 5 à 20 ans. Quels sont les éléments constitutifs de l'abus d'autorité Comme dans toutes les infractions à la loi pénale, pour qu'il y ait abus d'autorité, il faut nécessairement la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. L'élément légal de l'abus d'autorité existe parce que la dite infraction est prévue et punie par les dispositions des articles 114, 115 et 116 du Code pénal applicable au Niger. Pour ce qui est de l'élément matériel de l'infraction, il est allié de préciser qu'en droit pénal nigérien, plusieurs faits ou comportements sont générateurs de la responsabilité pénale en matière d'abus d'autorité. Il s'agit entre autres du fait pour un agent de la force publique agissant en cette qualité de s'introduire dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prescrits par la loi. Il s'agit également du fait pour un magistrat qui, sous quelque prétexte que ce soit, se refuse de rendre la justice qui doit au parti après en avoir été requis et qui persiste dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs. Il s'agit en outre du fait pour un fonctionnaire ou préposé du gouvernement ou de l'administration des postes et télécommunications de retarder volontairement la transmission d'un courrier confié à l'administration des postes et télécommunications ou de procéder à l'ouverture du courrier. Quant à l'élément moral de l'abus d'autorité, il devient évident dès lors qu'il est possible de prouver que l'infraction est commise de manière intentionnelle. Et pour la dernière question, que faire en cas d'abus d'autorité En cas d'abus d'autorité, il est recommandé à la victime de porter plainte à la police, à la gendarmerie ou auprès du procureur de la République. La plainte de la partie civile a le mérite de déclencher l'action publique permettant d'obtenir la condamnation de l'auteur de cette infraction. C'était la rubrique Justice avec Rafika Taher, un autre tour à musique avec le titre Fatima de MDM Crew. Elle s'appelle Fatima. Elle a un cœur de lion. Rakoya Jabaya. Kazaro, Mamata. Aiki, Elle se bat pour ses enfants. Fatima. Tout ce qu'elle veut, c'est gagner son pain. Abote ne pazenatu Fatima Elle se bat coréen jusqu'au bout Fatima Fatima Fatima Fatima Fatima Fatima Fatima mama Fatima elle a tenu Danserone amata Fatima Elle a tout vu Les bons les mauvais moments Fatima elle a tenu à amata Elle a tant souffert mais elle ne veut pas céder Elle est déterminée et rien ne peut changer ça C'est dans ce moment on reconnaît les vrais femmes même dans la souffrance, elle préfère rester fort. Digne et fière. Wataraiwa, Kesamogani. Machemena tuwa, Dubonge suwa, suwa gareki. Sarauni amata, oh non. Fatima, eh, eh. Fatima, Fatima. Zaruma keje. Fatima, Zaruma. Fatima, eh. Fatima, eh. Fatima. Majesty Soul, Cécile, Mouslim, Ils sont pleinement entrés dans leur carrière en 2004 avec le titre La Faute. La popularité de MDM Crew n'a pas cessé de croître au sein du public nigérien. Coqueluche de la jeunesse, ils s'imposent leur style dans la musique urbaine nigérienne et deviennent le premier groupe de hip-hop à faire un guichet fermé au Palais des Sports de Niamey. ela te dun saroni amada fatima ela tu fe te fatima ela te dun saroni amada fatima oh fatima fatima fatima oh fatima fatima fatima oh fatima fatima C'était Fatima du groupe MDM Crew, place à l'écho des régions qui nous amène à Gingemi pour parler de la non-pratique de l'espacement des naissances. Et eh oui, Rabi, dans certains villages du département de Ingigmi, jusqu'à présent, les femmes ne pratiquent pas la planification familiale. Selon les agents de santé, il est très important de faire la planification familiale pour le bien-être de la mère et de l'enfant. Écoutons ce reportage de Meina Abdoulaye. Música Dans certains villages du département de Ningimi, plusieurs parents sont réticents à pratiquer la planification familiale. Le manque d'information ou de compréhension, la pression sociale ou familiale sont des facteurs qui freinent la pratique de la planification familiale. Quelques parents rencontrés s'expriment. ɗauki wani juna ni a gani na mijina yana da abin hannun shi yanda zai yi dai ya yanka ma dan shi ragon suna dan shine yasa na gani na ɗauki juna biyun ma babu matsala kai kai ni ban so ban so akwai dalili na na cewa ban na so a sa tazara na aihuwa ni yanzu matata in ma dai son samu ne kowane shekara mata aihu daidai ne ni a wajena saboda yara na ga suna ina gani su lahin su lau ba sai an sa tazara ba na aihuwa mace kuma tana aihuwa lahiya lau yo me sauran madam nana abdullahi dodo enfiri infirmière à l'hôpital du district sanitaire de Ningimi explique l'importance de pratiquer la planification familiale. Elle déclare que la planification familiale contribue au bien-être de la mère et de l'enfant. Je suis shi ma zai samu ya sha nono mai kyau ba tare da uwa tana da ciki ɗa yana shan nono duk ya ta ya galabaita ga zawuce zawuce ga komai amma idan tana de magani ta sa tazara a tsakanin zai zo mata da sauki watan ta ɗauki ko allura ko maganin jinin hailan kama ba ka gane shi haka izuwa izuwan nan amma dai in kana shan maganin nan zai zo maka da sauki sosai idan ba tazara ga ciki ga goyo akwai wahala kuma wurin obama yana kawo rage-ragen wani kashe-kashen kuɗi duk shekara mace ta aifo an yi suna kuma wurin yaron amfanin shi ɗanka zai samu nono mai kyau ya sha a wurin uwar shi ba zawuce-zawuce ba rama ba zai faɗa cikin La sensibilisation sur l'importance de la planification familiale est essentielle pour assurer la santé et le bien-être de toutes les personnes ainsi que pour le bien-être du père et de l'ensemble de la famille, notamment sur le plan économique. Un reportage de Mena Abdullahi depuis Ngigmi. À cette occasion, nos salutations vont à l'endroit de la population de Difa qui nous suit sur cette émission. Marco une pause et on se retrouve juste après. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. À présent, c'est l'heure de notre rendez-vous sport. Notre chroniqueur sportif Hasumi Grouza est dans le studio. Bonjour Grouza. Bonjour Rabi, bonjour Abiba. Bonjour Grouza. Oui, ça va, ça va, ça va. Alors Grouza, la 31e journée de la Super League du Niger se poursuit. Oui, un match a eu lieu hier à Niamey pour le compte de la 32e journée. C'était euh, la rencontre s Gare Nationale, leader euh, de la Super League, au Zumunta AC. Match nul 0 but euh, partout. En attendant les autres matchs, le classement provisoire reste intact. L'AS Garde Nationale occupe la première place avec 66 points, Fan deuxième avec 60 points, AS cinquante 56 points, AS Douane 58 points, USGN 46 points. En bas du tableau, nous avons la geste euh, Ténéré de Tawa 26 points, Tagour de Dosso 25 points et Akokana et Darlit 21 points. Gourouza, parlons de la Coupe nationale de football. On connaît l'affiche de la finale Oui, Abiba. fan et l'USGN sont les deux finalistes de cette 49e édition de cette super ou de cette Coupe nationale du Niger. Les deux formations ont été écartées en demi-finale Urana et Wambay de Tawa. Les deux finalistes, fan et USGN, sont respectivement deuxième et troisième du classement de la Super League du Niger. Cette qualification des deux équipes confirme juste leur bonne forme. Pour l'heure, la date de cette euh, confrontation ASFAN et USGN n'a pas été confirmée. Le futur représentant du Niger en Coupe CAF, la Coupe de la Confédération africaine de football, sera USGN, soit ASFAN. La FENIFOOT a organisé ce week-end un match de gala en la mémoire de Maman Olympique. Oui, Maman Olympique était une dame qui a supporté le football nigérien durant une cinquantaine d'années. Elle était toujours au stade, quel que soit le match, malgré le poids d'âge. Elle a assisté à plusieurs matchs du championnat et aux compétitions internationales. Elle nous a quittés et la Fédération nigérienne de football a décidé d'organiser hier un match de gala de foot à son honneur et c'était une rencontre qui a regroupé les acteurs du foot nigérien. Salamatou Kadri était à ce rendez-vous. Elle a tendu son micro à Abdourafa, président des supporters du Niger. C'est un match de gala donc à l'endroit de notre euh, chère maman, mamie, maman olympique, que tout le monde connaît, puisque tous ceux qui se trouvent aujourd'hui ici l'ont trouvé au stade. Donc qu'ils soient jeunes ou vieillards, en tout cas, ils l'ont trouvé ici au stade. Parce que ça fait 57 ans qu'elle est là. Je vous dis, c'est une euh, grande supportrice, parce qu'elle ne se fâche pas. Et ce qui a comme différence, c'est qu'elle, c'est son club et un autre club, mais pas entre les, les supporters. les supporters de l'Olympique aujourd'hui, demain, ils peuvent supporter le Sahel, après demain, ils peuvent supporter l'ASFAN. Tout dépend. Mais je vous dis, elle a, tout le monde est pour euh, maman Olympique ce paradis Voilà, euh, Rabi Abiba, c'est la fin de ce soir d'aujourd'hui. Merci pour toutes ces informations, Merci, Merci beaucoup. Rabi, qui allons-nous découvrir dans la rubrique Portrait du jour Le portrait de ce lundi 24 juin 2024 nous conduit à la découverte de Ali Hassoumi, un vétérinaire de la commune rurale de Namaro. Son dévouement envers les animaux et sa passion pour la santé et le bien-être des animaux font de lui une figure respectée dans sa communauté, plongeant dans le portrait de ce professionnel engagé au service des habitants avec Omar Hamma. asikan namaro kominorade gore witinere wonede almane ga hambani haggo no namaro ko ara borede jerjera gabbara gumo agoga kwai kware dan agonga popora bo ali wode sola kati ama koy namaro komin ko ara jerjerera ga duga almane goru goyo wode an sente ga kason jiri de jiri yonne matkana bore famande da iwan mallot kodno za 1995 nen sentin aramu go halka kason wala go na mala bo ma me inte samde ko te kalam ko dambu ko lay go go te da lay go me safar mo mat ke gi bara da dan ba bi fone ka ngon sa jore ko te vaccination ri kason son se men on kan ton mar gi ke ko ine gi me mo vaccination ni sintin campagne de vaccination go man ton ke te gi ko ru ga te ha wa ife ye de hin ki di yoy da dalisi kitabore bore ga yamni ri wa te bore se ri ga di zakot me te kalam ko dambu bɔrɛ kɔ kamo ye mate la ba bɔrɛ mate zama safano kisnere da bari bi yan mu ya ga ba kurkai ga fisi ba imkai dulo ko ka imkai kan ali wo agonda gojine do hare kambo lati agoga hinga kurkai wane murade ga sandi almane gorion do hare kambo wala sanda kirgo direte imdise gojine yanzam babo bago lubosin gojine wo aste e ba mo imir gaxen mo do safado harmo da mo gor bo bara ifake bom do gaxen nei unaona go mte matkambo barada zamno kunir go koy gidi kemir go koy be go na zakya mu kinde go koy charbande lalemo ir ba mo ay mo kang ir ba aksine dir go go jineo wala no kunir ke wala koy ali fari amanti kal kam falai ko araboro nodin namaro wone kan tongora mboro wone de agoga sabu mate kan ali witiner goginga go yote da ised ali ago kala go lairal mani agi gorir sedir bair ko agar hugu chemo no asina geska go kama gine wala go gati mata girgu ba da go gati irse kadir ngai der ko mate irse go kan ko rigina agonda suru go yora wal mate wala gon suru go zamdana sinu go suru babo on kaso do inde sigu o irgo omar bosindar suru inde wosigo zamdana mano jonte kayne ma se nen sika han kunen sika subari nga iti man kani irke ki mo bottigi zambori magano ni awa ma la gon su de fe jinir kate da hawni kate dan kinir wa la gi goritse e go de ari fano de go yo wode ali hasumi aduginga wone kambe butiki kina non ka aga almane safare nere na maro kurara a hiji wande hinka ngande ize idu ali wode amanti kalwitinere kan goyo maga se jamaga bona C'était le portrait de Ali Hassoumi réalisé par Omar Hama. Pour la dernière musique de ce jour, chers auditeurs, on vous propose Espoir de Big Abdel pyjama que je ne marre, mon frère. Le pyjama qu'il est tard, ma soeur. Le pyjama que je ne marre, mon frère. Où que tu sois, ici même quelque part. Dis-toi qu'aujourd'hui ou demain j'aurai ma part. Lève ta tête et regarde l'image du ciel. Le jour, soleil, soleil et la nuit, c'est les étoiles. Après la pluie, c'est le beau temps qui s'entale. Inspirons-nous de ce mystère naturel afin de bien saisir que chaque chose a son time. Apprécie ta petite vie, remercie Seigneur car il a toujours aimé tout ce monde d'ici-bas. Tu vois le gare quand elle va t'appeler ma deux ailes. Tu partiras jusqu'au fond du septième ciel. Tu goûteras au bon goût du miel. Espère mon frère, garde à vous comme on s'en taille. Machallah, elle que ça de dire qu'on baille. Y'a que fascinant, elle que ça de dire qu'on baille. Machallah, elle que ça de dire qu'on baille sade diri ko ibai mashallah irga sade diri ko ibai yaka fosi no irga sade diri ko ibai mashallah irga sade diri ko ibai yaka fosi irga sade diri ko ibai aste wosi no nyeza arza ko fondo irkoi wano sifarga gagoi, chechi koi inganda dungo no handful sipai kana site yalwaga matunga goi irmagabo gai irikotala nogirga eh. irimagabo sugai sugatana gaugatana wahe yaman Mashallah, it is at the deal koi bai. Yaka no, it is at the koi bai. Mashallah, it is at the koi bai. Yaka pussy sada dir koi bai mashallah dir ka sada dir koi bai ya ka fosi na dir ka sada dir koi bai mashallah dir ka sada dir koi bai ya ka fosi dir ka sada dir koi bai zarina duniya komai da lokaci na zamo talaka yi wancan da arziki sabu mamaci Allah ya bani ni Tunda da bai da bambanci wannan musan da shi musani ya ga aiki mu mai da hankali mu dan komai da zuciya guda mu tanadi musa hankuri wata rana sai ko labari mu tawakkali ga Allah ubangiji inda rai da lafiya sakacin magurinka hey inda rai da lafiya dan uwa sakacin ka hey wato idan ka dangana za ka cimma burinka wato idan ka hankura dan uwa za ka cimma burinka masha Allah irgasa da dir koi bai ya ka fosi no irgasa da dir koi bai masha Allah irgasa da dir koi bai ya ka fosi irgasa da dir koi bai masha Allah irgasa da dir koi bai ya ka fosi no irgasa da dir koi bai masha Allah koi bai, nyako fosin. que ça de dire koi bai. Hey man, apprécie ta petite fille et remercie Seigneur. Car il a toujours aimé tout ce monde d'ici bas. Tu voleras quand elle va te plumer les deux ailes. Tu partiras jusqu'au fond de cette ciel. Right? Keep rock on them. Big up Alright. Ah, cet Espoir de Big Abdel, le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec la chronique Loti qui parle des conséquences de défécation à l'air libre. En effet, la défécation à l'air libre a des conséquences sur notre environnement et notre santé car elle contamine les sources d'eau potable et la source des maladies telles que le choléra et d'autres maladies hydriques. C'est pour cela qu'il faut utiliser les toilettes et laver se mains plusieurs fois dans la journée, n'est-ce pas Rabi oui, en effet, je vous propose de suivre cette conversation entre Rakia Arimi et Samira Rouafi. Affairage, affairage, affairage, affairage. tu fais tes besoins juste derrière la maison comme ça Où est ta mère même dans tout ça là Attends, tu vois. Salam alaikum. Salam alaikum, Sadia, tu es là Oui, entre copines. Tu vas au champ à midi comme ça Non, je suis de retour. Je viens de voir ton fils faire ses besoins juste derrière la maison. Comment as-tu pu laisser faire ce genre de choses D'après ce que j'ai vu, ce n'est pas la première fois. Ah, tu sais, les enfants ont peur d'utiliser les latrines. C'est pourquoi je les laisse aller dehors faire leurs besoins. <laughs> ah bah Sadia, ce n'est pas drôle. Est-ce que tu es consciente de ce que cela peut causer Ne t'inquiète même pas. C'est la saison de pluie. Tu verras dès qu'il va pleuvoir, l'eau va tout emporter. <laughs> Et ça sera propre à ton second passage. On est en saison pluvieuse, c'est exact. Et c'est la bonne raison pour laquelle tu ne dois pas laisser tes enfants faire leurs besoins si ce n'est pas dans les latrines. Ah bon Mais pour quelle raison Tu sais que le marigot n'est pas loin de chez toi. Les besoins de tes enfants peuvent atteindre le marigot. Et si l'eau est contaminée, tout le village sera atteint du choléra. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, choléra hein? Oui, le choléra. Et je n'ai pas fini. Restons juste chez toi. Regarde l'état de ta maison. Ça manque d'hygiène. Des tas sales par-ci, avec des mouches tout autour, des eaux usées versées par là. Ces mouches vont déposer leur lot de microbes dessus, ensuite venir toucher vos mains et tes ustensiles de cuisine. Vous risquez d'être tous infectés. Imagine ces selles juste derrière ta maison. Les mouches qui l'auront touché viendront toucher tes affaires, ta nourriture, et j'en passe. En tout cas, je ne peux même pas t'estimer le degré de la gravité de la situation. Oh non, je ne vais pas descendre. Mais quelle est la cause du choléra même Déjà, la transmission est interhumaine et environnementale. Le choléra est une infection diarrhétique aiguë provoquée par l'indigestion alimentaire ou d'eau contaminée. Les bryons cholériques sécrètent dans l'intestin la toxine cholérique qui provoque la perte d'eau et l'électrolyte jusqu'à 15 à 20 litres par jour. Et ça dit, si tu vois tes enfants avec les symptômes suivants, une diarrhée aqueuse abondante mais sans douleur, des vomissements de liquide clair, des nausées, alors je te conseille de les amener sans attendre au dispensaire le plus proche du village, car la maladie peut tuer en l'espace de quelques heures si aucun traitement n'est administré. Subhanallah, je suis foutu. J'ignorais vraiment tout cela. Mais comment est-ce que je vais faire pour éviter cela Déjà, l'hygiène doit être respectée dans ta maison ainsi que le lavage systématique des mains, faire nos besoins dans les latrines isolées des points d'eau potable, l'hygiène alimentaire, c'est-à-dire laver soigneusement tout ce que tu manges frais et bien cuire les aliments. Merci beaucoup ma chérie pour cette sensibilisation. Sinon, qui sait ce qui peut m'arriver à moi ou à ma famille Non, c'est la moindre des choses. Surtout fais vraiment très attention. Il y a déjà plusieurs cas confirmés de cette maladie dans le pays, dans les villes comme dans les villages, donc on doit être vigilant. Non, je vais faire très attention. À partir d'aujourd'hui, on va tous utiliser les latrines et bien laver nos mains et les aliments que nous consommons. Et j'en parlerai aussi autour de moi. Voilà qui est mieux. Bonjour, je rentre à la maison. Mes enfants doivent sûrement m'attendre. Vraiment, merci Hanatou. D'accord, bonne journée. merci euh, femmes de la rédaction. C'était Lottie. Voilà, à présent, accueillons Samira pour la culture linguistique. Bonjour Samira, quel est le mot du jour Chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello ladies and gentlemen, welcome to your show culture linguistique. Chaque 24 juin est célébrée la Journée internationale des femmes dans la diplomatie. Every June 24 the International Day of Women in Diplomacy is celebrated. À l'occasion, nous allons voir les contours du mot diplomatie. La diplomatie, c'est l'ensemble des règles et usages gouvernant les relations entre nations. La diplomatie en anglais est diplomacy. Diplomacy is the professional activity or skills of managing international relations. An example, they were helpful that diplomacy would help to avoid a war between the countries. That means in French, ils espèrent que la diplomatie aiderait à éviter une guerre entre les pays. This is a situation that calls for tactful diplomacy, qui signifie que c'est une situation qui exige une diplomatie avec beaucoup de délicatesse. Les femmes apportent beaucoup d'avantages à la diplomatie. Leur style de leadership, leur expertise et leurs priorités élargissent le champ des questions examinées. Women bring immense benefit to diplomacy. Their leadership style, expertise, and priority about the scope of the issues examined and the quality of the results. Ladies and gentlemen, that's all for today. Chères auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci Samira pour cet éclaircissement. Chers auditeurs, merci de votre fidélité au programme du studio Kalango. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. assalamu alaikum studio kalangu aino lawal abdullahi kan go tombo balle ay ma ci aran hangan ko beri zama aran wani bon fere kan yan aran te al umma se engano gay farhandi wat kul wan wana furta jay da way bore da ngay kiti irsu ba wani bon fere kan garan go bandi din kiti dalilo kan na wat kulu ay siya daran labari ma ga ay garan labari hangan ba dai sinan kan ay hinga duwano dai ka ay ga nimo dai din nanu ga hangan kan aran da ke rezo social bo ase wat kulu ayga kulu jandara raja irkoy maran ojin koyan dai no indi zibbo presida yin yoko kitamu raja kasigine istiyo kalangu asgirai agoga an saka ni se gum gum gum zan bom ferai no irgo ka duwara wani wani wai borai zai lokolo bon do wai borai zai e gayi yangai do wai borai zai tarbiya yangai bon zam yaran bai no kati wai borai zai yangai ka tel borai zai yangai o kan go han saka ni se dai kan da wai borai zai tawo do hara ha yangai din ki go so bai ga borai da bom ferai la yo din dir ruwa to kule mu tontoni saga zamaran bai zamani wane wa kalcar ga ka sinayyan to ruwa di san da ga ka sinay na ngo de orai de zan kai tarbiya yan ai dimbo banda bo fonga kul bo ya ko ga da ya dinga yi ko kalangu yi fonda bo yi fonda ko karo wallahi jira akan dirwo se bom fere ka tonton zan kai ga yan odo hara nan kai tarbiya yan ilo kol chawodo ko yan ibon ha yan ai din kai go te se di irwa an saka maka ni no mi san dinga wo go fongo wai borai zai dinga yan ai gano assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh hafiz mani gahulle mala aida wal muhammad al bakra abdullahi salam wa dabtu gane radio show to war kastile studio kalango mborana tamaja qa wabje katinda tagdala wabje studio kalango kana ko afsus masu hullan amma hawo bar hullan garaza sulne difala sirim boranda bara irim borne so al hawo ibda dunya kan da hawo baraha gandanin kul hakbda kan kul irfsa samaysa hullan studio kalangwana radio kan irfsa samaysa kaltama ja qabje kata kan hawabda kul irfsa samaysa hawabda hadan kana kul irfsa samaysa mera afsa silmana amboran funan bara abala akhshan da kan bi afsa silmana guhullan hinka hinki bar kul afsa silmana ga besa mera da irfsa samaysa beha ka shi kullu aya ya afsa sama afsa silmana guhullan hawanan bara bala andawan afsa samaysa hullan studio kalango na radio in Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. de ce lundi 24 juin 2024. Rendez-vous est pris demain à la même heure. Ah, vous étiez avec Habib Ahmed et moi-même Fabien Mekano. L'édition a été assurée par Adam Adawa qui est à la technique, c'était Kader Chombiano. Vous pouvez nous réécouter sur notre site web www.studiokalangu.org. Passez une excellente journée.